J'ai to j'ai dû me dégainer, à droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian et Mbappé. J'ai plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. J'ai plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Ramenez Ramener la coupe à la C'est VGG, je me dis qu'il Ou bien! Didier Deschamps, merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. 20 ans après, c'est le moment. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans on est champion. Et merci. <laughs>